le forum du studio forum forum forum forum forum forum forum forum forum forum Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce à notre réseau de 31 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger et dans une vingtaine de départements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Forum d'Istudio Studio Le Forum d'Istudio Studio Kalangou, c'est chaque soir du lundi au vendredi et c'est une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les textes encadrant le secteur de la communication en souffrance, c'est autour de ce sujet que nous débattons ce soir dans le Forum d'Istudio Studio Kalangou. L'ordonnance qui réglemente l'accès à l'information et aux documents administratifs élaborés et adoptés en même temps que celle dépénalisation est toujours dans les tiroirs, faute de décret d'application. Plusieurs autres textes des avant-projets ont été élaborés ces dernières années, mais attendent leur adoption et leur mise en application pour révolutionner le secteur de l'information et de la communication. Quelles sont ces lois et avant-projets des textes sur la communication qui restent en souffrance, que contiennent d'intéressants ces textes dans la régulation du secteur de la communication au Niger Quelles sont les conséquences visibles que ces vides juridiques créent À quel niveau se trouve le blocage pour chacun de ces textes. Comment débloquer cette situation de vide juridique ce sont là, entre autres questions, auxquelles nos invités seront appelés à répondre au cours de ce forum. Avec nous autour de la table pour en parler, M. Nassir Malam Issa, juriste et directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de la communication. Bonsoir, euh, M. Nassir Issa. Bonsoir et Lamine Suleiman, qui est membre du réseau des radios et télévisions indépendantes. Euh, bonsoir Lamine. Bonsoir. Merci à tous euh, d'avoir honoré notre invitation. Présentation de cette émission à Lassan Kouzi Mahamadou. Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, merci de rester fidèles à nos programmes. Je le disais en titre, le forum de ce soir porte sur les textes en souffrance qui encadrent la communication au Niger. À ce sujet, le Conseil supérieur de la communication a même organisé une rencontre avec des représentants de plusieurs institutions pour informer et sensibiliser sur la nécessité d'adopter un certain nombre de textes qui peinent à atteindre le seuil de l'adoption. Il s'agit, entre autres, d'un avant-projet de loi sur les statuts des médias publics, un avant-projet de loi sur la communication audio un avant-projet de loi sur la presse en ligne, un avant-projet de loi sur le financement des radios et télévisions associatives, un avant-projet de décret d'application de l'ordonnance 2011-22 sur l'accès à l'information, un projet de décret sur l'accréditation des correspondants des médias étrangers au Niger, un projet d'arrêté conjoint du ministère des Finances et celui du ministère de la Communication sur les modalités de recouvrement des redevances sur l'exploitation des services de radio et télévision privés, communautaires ou associatives. Alors, je m'en vais tout de suite commencer avec vous, Monsieur Nassir ou Malam Issa. Vous êtes directeur du cabinet du président du Conseil supérieur de la communication. Vous avez entendu euh, ces textes que j'ai cités. Quel rôle pour chacun de ces textes dans le secteur de la communication au Niger faire s'il euh, arrive à être mis en application. Excusez peut-être, je serai un peu long puisque vous avez évoqué sept textes. Pas très long, on va aller euh, faire un peu euh, étape par étape. Texte. Peut-être qu'on va commencer euh, avec euh, deux ou trois textes et ensuite on, va continuer. Oui, si je peux présenter tous les textes, maintenant ça va permettre à M. Lamine de mieux apprécier. C'est peut-être, hein, c'est ça tout que l'idée. Allons-y. Allons-y. Euh, très brièvement, oui. parce que nous avons, comme tu l'as dit, il y avait sept projets de textes qui sont dans les circuits d'adoption. Mhm. Et c'est tous ces textes-là, vraiment, sur leur adoption, il y avait un vide juridique. Vous savez, le CSC est l'une des rares institutions dont les attributions ont été définies dans la Constitution elle-même, avec la Cour constitutionnelle. Donc, le CSC a trois domaines de compétences. Il y a la presse, et, la presse écrite et audiovisuelle, les textes sont là. La presse en ligne, il n'y a pas de texte la publicité par voie des presse. Et c'est récemment qu'on a pris ces décrets et actuellement on a mis en place un, conseil de publicité. Donc c'est pour vous dire, il y a vraiment un vide juridique dans ce domaine. Et mhm. ça va permettre au CSC e de réguler euh, normalement. Euh, nous avons le les, pro, les premiers textes les projets de loi déterminant les statuts des médias d'État. C'est une exigence constitutionnelle. C'est la Constitution en son article 158 il faut prendre une loi qui va déterminer le statut des médias d'État. Donc aujourd'hui, euh, ce texte-là, c'est lui qui va définir c'est quoi les médias, un d'État, quelles sont les obligations des services publics qui incombent aux médias d'État. Surtout, euh, quels sont les principes euh, que les médias, euh, les médias d'État vont observer en matière de traitement et de diffusion de l'information Surtout, nous avons les principes d'objectivité, d'impartialité, d'équité et de pluralisme d'opinion. Aujourd'hui, faute de ces textes, une délibération du CSC qui détermine ces règles. Alors que, de par la Constitution, le CSC devrait seulement veiller au respect de l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d'information et de communication. Donc vraiment, à l'absence de ces textes-là, il y a un vide juridique qui est malheureusement comblé par une délibération du CSC e qui est insuffisante. Ce texte-là, il est dans le circuit d'adoption depuis 2014. Depuis 2014 Oui, c'est le, le projet de statut des médias d'État. Oui. Parce qu'il y a dans, dans la chaîne d'adoption, on a au moins trois niveaux au niveau du gouvernement. Il y a le côté vert, il y a le conseil des cabinets, il y a le conseil des ministres avant d'envoyer les textes à l'Assemblée nationale. Donc ce projet de texte-là, il a, euh, on a, il a suivi l'étape du côté vert. Il a été validé par le côté vert. On l'a inscrit à plusieurs reprises en conseil des cabinets, mais reporté. Et il a été inscrit en 2017 en conseil de cabinet. À la dernière minute, il a été retiré par le ministère de la Communication. Et vous avez, euh, Yvan, des raisons ah là, il faut, aller voir le ministère de la euh, ah. Communication pour pourquoi le ministère a retiré ah. ça. Nous, ah, nous on est juste euh, un technicien, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Maintenant, le deuxième, nous avons le projet de loi sur la communication audiovisuelle. Ça, il a été élaboré dans le cadre de la TNT, puisque l'ordonnance de 93 n'est pas adaptée au cadre juridique de la TNT. Là, donc, il fallait, en prévision à la TNN, prendre un texte. Et ça dans la stratégie du gouvernement a adopté un document appelé document de la stratégie nationale de la transition vers la TNT. Donc la mise en œuvre de cette stratégie nécessite l'adoption du cadre juridique. Maintenant, et ce projet de texte-là, en 2025 et 26 mai 2015, a fait l'objet d'un atelier de validation avec l'appui de l'OIF et de l'Union internationale des télécommunications. Et il est dans le circuit d'adoption depuis 2014. Également. 2014 également. Maintenant, l'adoption de ce texte, non seulement, un, il va corriger les lacunes de l'ordonnance 93, parce que cette ordonnance elle est obsolète, euh, elle est obsolète plutôt, elle ne répond pas euh, aux exigences, du, temps. Et ensuite, euh, l'adoption de ces textes va faire en sorte que le Niger, on va avoir un cadre juridique à la TNT. Et c'est ce texte-là qui va décliner le processus de la transition vers la TNT. il a prévu une période de transition. Puisque ah, quand les textes sera adopté, le RTN va disparaître va, le va faire place à des entités, une entité de diffusion, une entité de multiplex. Mais quand même, le RTN, quand le texte sera adopté, euh, il y aura une période de transition de cinq ans. Et l'opérateur public de la transition euh, sera le RTN. C'est ça, donc l'adoption de ces textes aussi va combler les vides juridiques en matière de l'audiovisuel. Nous allons revenir à vous. Le temps de donner la parole à notre euh, second invité, qui est euh, ici, euh, Lamine Suleiman, le représentant et les, membres du réseau des radios et télévisions indépendantes. donc, Lamine Suleiman, nous l'avons dit, il y a un certain nombre de textes qui peinent à être adoptés, des textes quand même qui encadrent le, secteur de la communication. Monsieur Malam Issa euh, a évoqué deux d'entre eux, notamment euh, l'avant-projet de loi sur les statuts des médias publics euh, pour déterminer les attributions. En bref, montrer ce que ces gens, euh, ces, ces, médias publics sont censés faire, ce qu'ils ne sont pas censés faire. Un avant-projet de loi sur la communication audiovisuelle qui prend en compte, qui prend en compte les exigences du temps. Cela est d'une urgence. Euh, oui, naturellement, cela est, d'une urgence. Je dois même dire que là même de l'urgence, c'est même euh, une question, si vous voulez, euh, de sécurité, pour même la sécurité des médias, pour la sécurité des professionnels du secteur qui relèvent de ce secteur. bref, c'est une question même de sécurité pour l'État tout entier. Parce que tant que la régulation n'est pas n'est pas faite de manière rigoureuse et conformément à l'esprit de la loi fondamentale, ce que la loi a prévu de faire, les gens vont toujours procéder par euh, euh, ce qu'on appelle les méthodes d'à peu près. Et c'est ce que le CSC a toujours essayé de faire euh, à travers euh, un certain nombre de délibérations qu'ils prennent, mais qui naturellement, les délibérations euh, limitent aussi son, pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà. Quand vous prenez un texte comme celui qui est censé régir, définir les statuts des médias d'État, ce texte est en souffrance depuis 2014, mais et qui peine toujours à, être euh, adopté. C'est parce que quelque part, moi j'ai dit, vous avez posé la question, les raisons. Mais les raisons, la raison est toute simple. Imaginez le seulement. qu'il soit retiré au dernier Imaginez seulement un, temps soit un média d'État, un média sur lequel un pouvoir a toujours un contrôle, il y a un pouvoir d'influence qu'il peut faire passer ce qu'il veut, qu'il peut contrôler ce qu'il ne veut pas que le, que le plus grand nombre entende, notamment les critiques qui fâchent. Mais c'est normal que ce texte-là soit bloqué dans le peuple, c'est normal. Si un texte, imaginez un média d'État qui, a une couverture nationale et qui, qui, qui, a la possibilité de faire comme ce que font les médias privés aujourd'hui, qui sont considérés comme euh, des pestiférés tout simplement parce que ils disent ce que les autres ne disent pas. Et les jours où on va vous dire que le média d'État est sans euh, la possibilité, d'avoir même d'un point de vue nomination, désignation, des responsables, l'État, à ma connaissance, ne doit plus avoir euh, un pouvoir d'influence ou l'emprise sur même euh, la, responsabilité, le, processus même de nomination. Je crois que même là-bas, le texte là a dû régler ça. Si c'est la première mouture que j'avais une fois lue dans le cadre d'un travail, même là, la désignation, elle échappe au contrôle de l'État, du pouvoir central. À plus forte raison, est le contenu, ce qu'ils doivent dire. Les médias d'État, beaucoup de, c'est une affaire, euh, si vous voulez, purement politique. Il n'y a aucun pouvoir, en tout cas, pour le moment, je ne sais pas, peut-être à l'avenir, qui peut te dire que non, il faut permettre, il faut appliquer ce texte-là à la lettre, il faut l'adopter pour que les médias d'État deviennent vraiment des médias utiles à leur propre pays. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Les, les, vous avez évoqué aussi oui, cette euh, question de la communication audiovisuelle, notamment qui prend, qui prend en euh, compte. Oui, naturellement, ça et moi, j'en sais là même, je trouve que c'est même une question de bon sens. Bientôt, nous allons eh, transiter. basculer, transiter sur euh, la TNT. Donc c'est normal qu'on redéfinisse, qu'on adapte les anciens textes, les anciennes ordonnances relevant de la communication audiovisuelle. Mais je crois que vraiment il faut et le CC ne peut pas lui seul. Le CC, il vous a dit, c'est un régulateur. Le régulateur, lui, tout ce qu'il peut faire, il n'a pas euh, euh, une capacité d'aller faire un plaidoyer pour qu'on adopte tous ces textes-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de recommander mais il y a une institution qui est là, en l'occurrence le ministère de la Communication et les structures socio-professionnelles relevantes du secteur des médias. C'est à elles seules de donner de la voix pour amener le pouvoir public à à comprendre l'urgence et à adopter ces textes-là. À ce niveau, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, notamment euh, euh, sur la question de la TNT, la télévision numérique terrestre. Est-ce que vous, médias privés indépendants, est-ce que vous êtes prêts Ah mais oui, nous sommes prêts. Nous, ça fait depuis 2015 ou 2016, quand on avait annoncé même qu'on a même donné une date, je me rappelle bien ça, du 17 janvier ou 17 juin, je ne me rappelle plus. les ministres de l'époque euh, qui avaient en charge de ce dossier, il avait même pompeusement annoncé que les 17 le Niger avait basculé, euh, à l'instar d'autres pays de la sous-région, sur euh, la TNT. Mais à ma grande surprise, jusqu'à aujourd'hui, mm. même les médias euh, d'État, il n'y a aucun média d'État qui, a basculé, qui a transité sur la TNT. Quand je dis est-ce mm. que vous êtes prêt c'est en termes, en termes sur le plan matériel, sur le plan peut-être formation. Mais naturellement, obligatoirement, celui qui ne peut pas s'adapter, il n'a qu'à disparaître. C'est une question de, de, de, truc, euh, de, logique. Il hein. n'y a pas de demi-mesure. Celui qui ne peut pas, un média, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas, euh, c'est une exigence. Donc, si personne ne peut, ne peut euh, tenir face à ces exigences, bon, il faut, il faut fermer il faut laisser les autres aller. Moi, c'est une obligation. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui vont être mises à la disposition des médias privés et notamment, je crois, pour euh, la retransmission de leur signal. Mais ils sont obligés aussi, les matériels qui leur permettent de tourner, ça doit être du numérique. C'est obligatoire. S'ils ne peuvent pas, alors il faut fermer et disparaître, laisser ceux qui peuvent tenir. Et c'est pour cela, nous, au niveau de notre structure, les réseaux de radio et télévision indépendantes, nous, sommes nous avons dans notre plan d'action prévu plusieurs euh, activités de formation et même euh, au-delà pour que les gens ne soit pas en retard par rapport à ça, parce qu'il n'y a, pas, y a, pas de dérogation. Quand ça vient, ça vient, donc ceux qui sont prêts, ils vont, ils vont, ils vont prendre le train, ils, vont, ils, vont, aller, ceux qui ne sont pas prêts, donc ils vont laisser plus tard, euh, si jamais la, fréquence n'est pas retirée, ils vont prendre le train en marche. Nous allons continuer avec vous, Madame Nassirou Issa. Parmi ces textes aussi figure euh, un avant-projet de loi sur la presse en ligne. À ce niveau, quel est l'objectif visé oui, puisque la presse en ligne, la presse électronique, c'est que c'est les termes de la Constitution, c'est les troisième domaine de compétence du CSC. Aujourd'hui, le CSC ne peut pas réguler en matière de presse électronique. Aujourd'hui, ni le CSC ni la justice personne ne peut rien faire par rapport. S'il y a des dérapages au niveau de la presse en ligne, les journaux en ligne, parce que même l'ordonnance sur la liberté de la presse, elle a renvoyé à une loi spéciale pour les infractions, la définition des infractions, leur poursuite, leur répression seront déterminées par une loi. Et cette loi n'est pas là. Cette loi-là n'est pas... encore, euh, n'a pas encore été adoptée. Donc, le CSC a mis un groupe de travail qui a élaboré un avant-projet de loi sur la presse électronique. Parce que c'est cette, cette loi-là euh, qui va fixer les modalités, comment on appelle ça. Elle va, elle va définir c'est quoi une, la presse électronique, les conditions de création des journaux électroniques, les obligations qui, composent à, euh, qui incombent à leur directeur de publication, les infractions en matière de presse électronique, leur poursuite et leur répression. Tout ça, c'est ces projets de loi-là. Qui... Elle, elle, elle, prévoit. Maintenant, ces projets de texte, on l'a on adopté. Le CSC a transmis ça conformément à l'article 9 de la loi sur le CSC e au ministère de la Communication. Parce que le CSC, e, lui, n'est pas dans la chaîne d'adoption des textes. Seul le gouvernement et l'Assemblée peuvent adopter des textes. Mais le CSC e propose. Lui, il a fait une proposition des textes. pourquoi c'est un avant-projet de loi. Mhm. On a transmis au ministère de la Communication. Donc, nous, on ne sait pas à ce stade si le ministère a transmis ou pas. En tout cas, ça fait plus d'un mois que le CSC a transmis ce projet de loi sur la presse électronique. Donc, euh, ah. c'est euh, euh, contrairement aux autres textes. Les deux premiers sont dans les circuits d'adoption. Ces, derniers plus récents. c'est récent, c'est en 2017 là. Les, de l'avant-projet de loi sur la presse électronique, l'avant-projet de loi sur les statuts et financement des radios et télévisions communautaires. C'est en 2017 qu'il le a mis un groupe de travail. On a, comment on a élaboré ces avant-projets. On a transmis au ministère de la Communication. <clears throat> Donc, on ne sait pas si le a mis ça dans le circuit d'adoption. Maintenant, pour finir avec les projets de loi, il y a maintenant celui des statuts de financement des radios. Puis ce statut-là, il a été pris depuis par l'ordonnance de 93. Vous voyez, depuis 93, on devrait prendre ces textes-là. On n'a pas pris. Il a fallu 2017 pour que les CSC e mette un groupe de travail pour élaborer le bon projet Aujourd'hui, toutes ces radios et télévisions associatives évolue sans statut, sans financement. Alors que la loi a dit de faire ce statut-là depuis 1993. C'est la loi qui date de 1993. De 93. Vous voyez donc, il y a vraiment un vide juridique à en la matière. Et c'est ça qui les de combler. Bien. Donc, euh, ça, c'est ça pour les projets de loi. Après, on va voir les projets de décret. Voilà. Euh, Lamine Suleiman, euh, je le disais, vous êtes le membre du réseau des radios et télévisions indépendantes. On a évoqué donc ce point, euh, un avant-projet de loi sur la presse en ligne. On sait que de plus en plus, avec l'arrivée, l'avènement de la technologie de l'information et de la communication, le Niger, de plus en plus, on voit des, sites d'information évoluer. Euh, donc, euh, le CC euh, a bien fait de penser à, ce que ces domaines aussi soient régulés. Oui, naturellement. C'est plus tôt ou plus tard. Non, c'est pas tard, c'est pas tard parce que maintenant, on peut dire que la presse électronique est gestative dans notre pays contrairement à d'autres pays où vous avez euh, euh, le nombre de journaux en ligne, il euh, dépasse largement celui des médias classiques, pour dire la presse, la presse écrite sur papier. C'est là aussi une urgence et le CC, il est dans son rôle. Il est dans son rôle c'est à lui de constater parce que c'est eux qui vivent au quotidien toutes les difficultés qu'on relève ça et là en matière de communication, que ce soit presse écrite, audiovisuelle ou oh, électronique. Les gens, euh, euh, avant d'aller, euh, si, si, si c'est des plaintes, la plupart des temps, les citoyens qui s'estiment être, qui estiment être un peu attaqués, ils, ils, font recours au niveau du CC. Et puis eux-mêmes, le CC, ils font une sorte de monitoring, ils voient ce qui se passe. La plupart des, articles qui sont diffusés sur les journaux en ligne, c'est des journaux, ces articles déjà diffusés dans la presse euh, classique électronique. Je ne connais pas un seul média qui a une rédaction, euh, un média en ligne qui a une rédaction en bonne et due forme, qui, qui, qui envoie des reporters qui ne travaillent que pour la presse en ligne. Au Niger, je ne connais pas. C'est de la récupération, c'est du relais qu'ils font. Ils prennent d'abord sans autorisation souvent des journaux classiques, ils balancent ça ils achètent les journaux, ils ont des gens qui leur font, euh, qui, qui, font la transcription numérique des, des, des, des trucs scannés et qu'on balance aux promoteurs. Il est tantôt aux États-Unis, tantôt en Chine ou même euh, en Europe quelque part. Donc c'est vous dire que cette presse-là, elle a besoin d'être régulée. Voilà un journal qui tire par exemple à 1000 exemplaires, qui n'arrive qu'à vendre peut-être la moitié, les 500 exemplaires. Mais et lui, il n'a même pas tiré le bénéfice de, sa prestation, mais quelque part, il y a quelqu'un qui est caché dans un autre coin du monde, qui a le journal à la minute près, et qui le balance sur son site et vous allez voir, il a des partenaires, il vit de la publicité que la presse écrite, les journaux qui sont ici au Niger n'ont pas gagné. Donc ça, c'est une première difficulté qu'il faut, une injustice qu'il faut corriger. Et c'est là que je salue eh, le réflexe du CSC euh, en, créant cette. Je ne sais pas, je pense. Et si, pas parcouru... et si cet aspect a été pris en compte. Voilà, je n'ai pas parcouru le projet. Monsieur Madame Nassirou est là, peut-être. Oui, oui, je n'ai pas parcouru le, le, projet. Va noter. Mais maintenant, la première inquiétude, moi, que j'ai, il faut. On sait que déjà. Eh, là, pour le cas, pour, revenir sur la question de la liberté de la presse, eh, qui est, je dirais, aujourd'hui euh, un, droit. un, droit. dans notre pays, eh, à travers euh, le délit commis par voie de presse qui ne peut pas normalement amener un journaliste en prison. Il y a un texte de loi qui est là en bonne et due forme. Mon inquiétude maintenant, est-ce que le CC a pris cela en compte dans son projet concernant la presse électronique Est-ce que la presse électronique on a pris en compte cette question de, de, de dépénalisation du délit commis par voie de presse. Est-ce que ce les gens ne vont pas se cacher et une fois que le texte atterrit quelque part euh, chez le politique, on va dire non, c'est la presse électronique. Nous, on ne va pas accorder le même privilège qu'on a accordé aux journalistes euh, euh, de la presse classique audiovisuelle ou comme presse écrite. Voilà tous les débats. Nous, on a désigné, on a désigné des, des gens pour prendre part on a un représentant au niveau de, de, de ce comité qui a, travaillé sur euh, les textes de la presse en ligne. ce que même là-bas aussi, nous avons un pied dedans, mais nous n'avons pas eu les échos et on n'a pas besoin de savoir, on se dit que c'est une question de bon sens. Le CC ne va pas occulter cet aspect de pénalisation commis par voie de presse. Ça, nous sommes sûrs que le CC ne le fera pas, parce qu'avant tout, c'est une institution. Non, nous savons, c'est une institution qui fait aussi la promotion de la liberté de la presse. Il n'y a pas que seulement euh, l'aspect euh, euh, gendarme, non, non, non. Mais seulement mon inquiétude, j'ai dit, c'est de veiller quand le texte va atterrir de l'autre côté. Est-ce que les gens ne vont pas Parce qu'aujourd'hui, la presse électronique, c'est la presse qui va à la vitesse de la mmh. lumière. Donc il faut y veiller aussi pour qu'on ne trouve pas un obstacle vraiment technique, à l'expression libre des opinions des Nigériens. Euh, rapidement, Madame Nasiru Issa, est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques soucis euh, soulevés par euh, Lamine Non, les mêmes, obligations, les mêmes euh, obligations qui incombent aux journalistes de la presse écrite, ce sont les mêmes obligations qui incombent aux journalistes de la presse en ligne. La particularité, c'est au niveau, on dit, de la, la définition des infractions, de la répression. Sinon, c'est les, mêmes obligations, puisque l'autre, là, c'est un texte général, l'ordonnance sur euh, la liberté de la presse. Ici, c'est l'aspect précis, poursuite et répression que l'ordonnance, elle a renvoyé à une loi spéciale mais sinon, tout ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté judiciaire, tout ce qui concerne les obligations, les conditions, c'est la même chose. Autre mm. difficulté, est-ce allez-y. Oui. Oui, est-ce autre difficulté par rapport à cette à cette euh, question de de, de presse en ligne, le fait que la main l'a soulevé, le fait que souvent le, le peut être à New York, il peut être en France, il peut être n'importe où et, agir. Est-ce que cela ne pose pas une difficulté peut-être à, avoir une même mise euh, pour... Non, tous ces, aspects-là qu'il a évoqués, c'est pris en compte par les textes. Vous voyez, ce n'est qu'un avant-projet. Après, quand au niveau, il y a l'étape de côté vert, le texte sera enrichi ou bien euh, certaines choses. Euh, euh. Il y a l'étape du conseil des cabinets il y a l'étape du Conseil des ministres. Maintenant, il y a l'Assemblée nationale. À chaque, étape, les textes peuvent être enrichis. Et il y a avant tout, peut-être, le ministère va faire un atelier aussi de validation. Puisque le comité a fait une recommandation au ministère de la Communication pour avoir un atelier de faire venir d'autres expertises, puisque c'est un texte complexe. Bien. Vous ça, toutes les, les préoccupations qu'il a soulevées sont prises en compte par les textes sous ordres de certains amendements à chaque étape euh, d'adoption. Bien, euh, nous allons avancer. On avait évoqué tout à l'heure la question du financement des, radios et télévisions. Euh, je me tourne vers vous, Lamine Suleiman. En tant que représentant des médias audiovisuels, ressentez-vous ce besoin d'avoir une loi qui encadre le financement des médias et pourquoi Oui, tout à fait. parce que si on veut, les médias, avant tout, c'est des entreprises. Hein. C'est des entreprises qui emploient euh, des, des, agents euh, qui sont payés à la fin du mois. Donc ce n'est pas euh, des, ONG. On ne fait pas ça, c'est vraiment des entreprises. Or, pour qu'une entreprise soit viable et puisse faire face à ces charges incompressibles, il va de soi que l'État aide ces entreprises-là à élargir je dirais, euh, euh, ces privilèges financiers, ces possibilités d'avoir euh, de l'argent. Quand vous, il y a, actuellement au Niger, je peux appeler ça même une crise, une, tension de trésorerie dans les médias, parce que les médias, toutes catégories confondues, sont confrontés à des problèmes. La seule source de financement ou pourvoyeur, si vous voulez, des, des recettes, c'est la publicité par voie de presse. Or, la publicité par voie de presse aujourd'hui, les 90%, pour ne même pas exagérer, je dirais même 95%, eh, si vous voulez, ça tombe euh, dans les, les, les, trucs, euh, les caisses des médias d'État. Les médias privés, pratiquement, ils se partagent rien du tout en termes de publicité. Et ce n'est pas grand-chose. Ça était tellement dévalorisé, c'est casser le coût d'une publicité radio. Si on vous dit aujourd'hui, d'un seul passage, vous allez même dire mais qu'est-ce que les gens alors pourquoi les gens même créent des radios, créent des télévisions C'est dérisoire, ce n'est rien du tout. Donc nous, nous avons inscrit ça dans notre mémorandum. Il faut créer d'autres possibilités. Elles existent, il y en a en pagaille qui peut permettre aux médias vraiment indépendants de, de jouer bien leur partition et de s'en sortir devrait au développement aussi du pays. Quand, quand, quand, je prends un exemple euh, d'autres pays, il ne faut pas avoir un média privé parce qu'on dit par exemple on va euh, permettre à un média d'avoir d'autres sources de financement que non, non, c'est permettre à ces médias de grandir et d'être une sorte d'empêcheur de tourner en rond pour ses critiques euh, acerbes contre un État. Non, ce n'est pas ça. La, la sécurité d'un pays, je vous dis, c'est qu'il arrive à contrôler et pas de la manière euh, euh, la plus euh, négative les médias, mais c'est que les médias deviennent responsables. Quand les médias, vous n'avez pas de médias responsables, vous ne pouvez pas être en sécurité dans un pays. Et vous avez espoir avec la publicité, le texte sur la publicité par voie de presse Oui, le texte, naturellement, le texte sur, sur la publicité par voie de presse, je fonde l'espoir que ce texte va apporter un changement dans l'accès équitable vraiment équitable, entre les médias publics et les médias, privés. Maintenant, l'autre source de financement, si vous permettez, sur laquelle nous, nous ne voulons même pas transiger en tant que réseau de radio et télévisions indépendantes, c'est la question de partage de la redevance ORTN ça fait cette, euh, il y a une ordonnance qui a institué une redevance hors Vous voulez que vous aussi médias que vous prélevez chaque facture quand vous regardez. Il n'y a pas de distinguo que vous êtes des médias ou vous êtes une entreprise. Non non non, on vous prélève, vous payez cette. Moi je connais ici à Niamey des médias, des groupes de presse qui payent environ 800 000 francs. 800 000 francs qui versent qu'on défalque sur leur facture d'électricité parce que c'est des grands consommateurs, c'est vrai, et qu'on leur applique ces taux-là qu'on donne à l'ORTN. Redevance ORTN, c'est vrai, à l'époque, ça a été créé, il y a de cela peut-être 40 ans ou 50 ans, le, le, président du CSC peut-être peut-être un peu... Euh, le directeur du cabinet. oui, excusez-moi, le directeur, du, cabinet. du président du CSC. Euh, e. C'est une ordonnance qui date d'il y a 30 ans ou même 40 ans à l'époque, c'est parce que l'ORTEN était le seul média d'État. Je n'ai rien contre pour vous, Pour vous, euh, cette redevance doit être partagée doit être partagée avec, les, médias... Je ne dis pas équitablement, mais aussi avec les médias d'État privés parce qu'ils font le même service public que les médias d'État. Donc voilà pourquoi nous avons dit si on veut amener les médias à faire œuvre utile, à ne plus travailler dans la précarité, à permettre à ces employeurs-là, à ces employés d'immenses, d'aimer de, de, de, leur travail, de ne pas accepter, de ne pas vilipender leur profession, parce que c'est cela aussi. Il faut que l'État nous aide à partager cette redevance hortaine. Et il y en a beaucoup d'autres possibilités de financement. Sur le texte, le projet de texte qui est là, eh, que le CSA a élaboré et qu'il a transmis euh, au ministère de la Communication, s'il avait pris toutes ces... il a imaginé, peut-être il a pensé à d'autres pistes de financement, moi, je me dis que alors c'est vraiment avec le deux textes là, la question du partage de redevances hors plus l'accès équitable euh, des médias privés au marché de publicité, je me dis que le problème est résolu et il n'y a aucune entreprise de presse privée qui va refuser de signer cette application, cette convention collective avec ses employés. Ce n'est pas possible. Bien, Monsieur Malam Nasirouissa du Conseil supérieur de la communication, euh, cette question, cette question euh, de, publicité par voie de presse, l'accès équitable. tout à l'heure, euh, Soleiman Lamine, qui représente ici les médias privés indépendants, a soulevé une question, notamment le fait l'exigence de pouvoir avoir une part dans la redevance ORTN. Est-ce que cette question figure dans, cette, dans ce projet de, loi Non, c'est ça. L'exigence de la répartition de la redevance est un autre aspect que les gens ont posé au niveau de la convention collective. Et j'espère que ça va trouver la solution là, puisque récemment, les ministères de la Communication a mis en place un groupe de un comité chargé de la mise en œuvre de cette convention-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a évoqué la, fameuse répartition de, cette redevance-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont membres de ce, de ce comité. donc, euh, ça n'a rien à voir avec ah, la décret sur la publicité. Et les journalistes disent qu'ils font une, une, exigence, un préalable à la signature de la convention. Donc ça n'a rien, avec les, ah. Ah, à voir avec les décrets. Alors où est-ce que nous en sommes par rapport à ces décrets Maintenant, le décret, il a été pris. Et heureusement, le décret, il a renvoyé au CSC. Un, pour les conditions d'excès, les conditions d'exercice de la profession elle-même seront définies par la délibération. On a déjà pris cette délibération. Et ensuite, il a prévu la mise en place d'un conseil de publicité. Et ce conseil de publicité, les, les, membres. Et le problème de l'accès équitable et effectif des médias privés au marché publicitaire de l'État et de ses démembrements. On a renvoyé ce comité-là, c'est ce conseil de publicité-là qui va proposer au CSC l'accès équitable et effectif. Le décret a été clair. Donc tous les médias, publics et privés, doivent avoir un accès équitable, au marché de l'État et de ses dévots. Au a pas un publicitaire. Qui se pose à ce niveau, le texte non, on, attend, la proposition, c'est le conseil de publicité qui va faire la proposition. Dont la les membres. membre. On a mis, dont la les membres. C'est ce conseil Le CC n'attend que les propositions. On attend que ces propositions. Le décret est clair, il a renvoyé. Donc, c'est eux qui vont proposer comment ces entreprises vont accéder. Parce que le décret est clair, accès équitable et effectif, ça c'est clair. Et maintenant, les, radios et télévisions communautaires. Avant, c'était l'ordonnance de 93 qui les a exclus au marché publicitaire. Maintenant, la constitution de 2010 est claire. Les radios et télévisions privées et associatives ont accès également au marché, au marché publicitaire. Et donc, c'est ce projet de loi sur le financement sur le statut et financement des radios, une fois adopté, un, il va résoudre la question des financements publics de ces radios. Deuxièmement, ces radios auront accès au marché publicitaire. Euh, abordons, abordons un autre aspect, un autre texte. Euh, notamment, il y a un projet d'arrêté conjoint du ministère des Finances euh, et celui du ministère de la Communication euh, qui est censé porter sur les modalités de recouvrement des redevances sur l'exploitation de services de radio et télévision privées, communautaires ou associatives. Qu'est-ce qu'on veut solutionner à ce niveau Malam Là, c'est arrêté, là, c'est une exigence légale, c'est la loi. Voilà ce que la, la, loi dit, l'article 48 sur le CSC. On dit le Conseil supérieur de la communication fixe par délibération les montants des redevances pour l'exploitation d'un service de radio, diffusion sonore ou de télévision privée, communautaire ou associatif. Les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la communication. Les produits ainsi recouvrés sont versés au Trésor national. Donc, en application de cet article, le CSC e a pris une, une délibération pour fixer les montants de ces redevances. Maintenant, l'État le CSC a fait le constat, l'État perd 400 à 500 millions par an. Par an. Faute de la signature de cet arrêté. Là où le CSC a prévu peut-être 15 millions pour ses radios, quand vous en Côte ou dans d'autres pays, là où RFI paye 50 millions par an, par radio, par station ou comment. Ici, nous, on a proposé 12, 12 millions 500. Euh, pour, les médias étrangers. Pour les médias étrangers. Et quand on fait le total, c'est un, un total de 400 millions que l'État perd par an. Pourquoi tout parce, que parce qu'on n'a pas signé l'arrêté. Et, cela dure depuis combien de temps Depuis 2014, voilà. Délibération numéro 00 CSC 2014. Depuis 2014. Est-ce que cela veut dire que euh, depuis tout ce temps, euh, même quand un média euh, doit payer euh, une telle somme à l'État, le média ne sait pas où aller verser la somme. Il y a certains médias qui sont partis verser même au trésor. On n'a pas dit, le trésor a dit, ne veut pas prendre puisqu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de base légale. On ne peut pas prendre les agents comme ça sans texte. Il y a certains médias qui sont de leur propre chef, ils sont partis verser l'argent là. Le trésor a dit, ne veut pas prendre parce qu'il n'y a pas de texte. Et c'est tout à fait normal, vous voyez. Rapidement, un mot sur, sur, cette question, notamment des recouvrements des redevances euh, euh, pour, euh, l'exploitation de des fréquences de services radio au Niger, notamment pour les chaînes étrangères. Le CCN a fait une de ses préoccupations depuis un temps. Et je me rappelle, il disait qu'il n'y avait même pas de base légale qui peut permettre de recevoir, d'encaisser cet argent-là, que l'État puisse l'encaisser. Moi, je me dis que, bon, et fort heureusement, maintenant, c'est en débat, c'est dans, ça va, ça va, euh, inévitablement, je crois que ça va être, euh, l'arrêté conjoint, là, sera euh, pris par les ministères concernés. Mais nous, nous sommes dit que le CSC, au-delà, il doit aussi lutter eh, pour que cette, une partie de cet argent-là soit concédée aux médias privés, pour permettre aussi eh, eh, à ces médias-là de rehausser leur enveloppe, par exemple, du fondé de la presse. Ou bien pourquoi même pas faire en sorte que le CSC puisse euh, que, tout carrément c'est c'est là que ça ces redevances là reviennent au, au, CC et c'est à lui de voir comment il peut le dispatcher pour euh, aider les, les, les médias privés 400 millions 500 millions c'est beaucoup d'argent l'enveloppe même du fondé dans la presse ne dépasse pas 200 millions à ma connaissance mais si, si naturellement cet appui là ces redevances là peuvent permettre de prendre en charge beaucoup de choses et vraiment notamment les activités de monitoring et autres et pourquoi pas ne pas le faire Je ne sais pas si l'arrêté a prévu cela, ou juste c'est la base qui peut permettre d'encaisser l'argent. Maintenant, l'utilisation qui va être, euh, qui, qui sera euh, faite de ces redevances-là, c'est sûr que ça n'a pas été défini. Mais dans l'un de l'autre, tout à l'heure, le directeur du cabinet vous avait dit, il y a un comité qui a été mis en place euh, à, travers lequel le ministère et les promoteurs de médias sont en train de discuter, de négocier, voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que la redevance hors puisse être partagée avec l'ensemble des médias. Donc, dans ce comité, je lis dans les conclusions, il y a cette question de, de redevance sur l'exploitation des services de radio par les chaînes, euh, par les médias étrangers. Un, um, point que je voudrais aborder avec vous, Madame Nassirouissa, euh, donc directeur de cabinet du CSC, c'est notamment le CSC souligne aussi la nécessité de publier les textes euh, adoptés au journal officiel, L'important. Non, c'est là, en fait, pourquoi on fait obligation de publier les textes dans les, journal officiel journaux officiels Parce qu'un texte non publié au journal officiel n'est pas applicable par les citoyens. En fait, les citoyens ne les connaissent pas, ne lisent pas les citoyens. C'est quand un texte est publié qu'il est opposable aux citoyens. Aussi longtemps qu'un texte n'est pas publié, il n'est pas opposable aux citoyens. Nous sommes euh, presque à la fin. Comment débloquer, selon vous, cette situation de vide juridique qui dure tout c'est vraiment délicat. Il faut combler ces vides. Maintenant, là, le CSC est en train de faire le lobbying. Euh, je ne sais pas comment on va régler ça, mais euh, en tout état de cause, c'est vraiment urgent. Et nous, en tant que techniciens, nous, nous savons ce que les vides juridiques créent. L'exemple, par exemple, quand vous prenez l'affaire, euh, les décrets sur les conditions d'exercice des correspondants des presses étrangers. Oui voyez, ces décrets-là, l'ordonnance l'a prévu depuis 2012. Les décrets n'ont pas, pas été pris. Il a fallu l'affaire la, Nathalie Prévost, qu'on a expulsée. On a Cette retiré journaliste. Euh, retiré plutôt son accréditation. Oui, on a retiré son accréditation. Maintenant, si cette journaliste-là a porté plainte, il y a un problème. Pourquoi oui, parce que le décret qui est censé définir ces conditions-là, le décret n'a été pas, pris. Si un journaliste étranger, un correspondant étranger viole les textes, sur quelle base, comment on, comment on sait qu'il a violé les textes, puisque le décret n'a pas été pris L'exigence de l'état des droits veut que l'administration elle-même soit soumise au droit. Quand l'administration va sanctionner, elle, elle va motiver sa décision. Or, à l'espèce, il n'y a pas de motivation. Puisque la seule motivation, c'est ces décrets-là qu'on doit viser. Elle a violé les dispositions de ces décrets par rapport aux conditions d'exercice du correspondant des presse. Les décrets n'y est pas. Et par contre, tous ces textes-là, je vous dis que c'est un domaine, c'est un vide juridique. Il faut qu'on le comble. Et tous les textes là, c'est aussi bien important pour les journalistes, pour les CSC. Et pour les euh, citoyens, au-delà. Bon, au-delà. Lamine Suleiman, quelle est l'urgence à laquelle, pour vous, il faut, il faut répondre dans un bref délai, notamment pour ce qui concerne tous ces textes oh, L'urgence, c'est de faire, d'accélérer le processus d'adoption de tous ces textes importants. Pour nous, d'abord, en tant que médias, mais aussi pour les usagers des médias, notamment les citoyens. Et, pour accélérer ou booster, si vous voulez, le processus d'adoption de, ces textes, il faut qu'il y ait un plaidoyer. Il faut amener les médias toutes catégories confondues, avec les usagers des médias pour euh, euh, euh, faire pression sur les pouvoirs centraux, les amener à adopter ces textes là Sinon, ces textes, je vous dis qu'ils ne vont jamais être adoptés. Parce que le vide juridique a toujours arrangé quelque part les, pouvoirs centrales. Ils, de ce vide juridiques, naturellement, pour poser certains actes qui sont en porte-à-faux avec la liberté de, de, la presse. Il vient de vous dire que Nathalie Prévost, lui a soutiré, retiré son accréditation sur aucune base. Il n'y a aucune base qui est là. On ne peut même pas, et même ils savent que c'est pas, c'est illégal ce qu'on a fait. Si elle avait attaqué, elle aurait peut-être eu un gain de cause. Mais dans tous les cas, il faut qu'on que, mette fin à ce genre de situation. Et pour mettre fin à ce genre de situation, c'est à nous, médias, et tous les collaborateurs des médias, le collaborateur direct, pas de gens qui manipulent le média pour atteindre un objectif. Non, non, non. Ils manipulent quand seulement leurs intérêts sont concernés. Quand leurs intérêts ne sont pas concernés, et ils s'en foutent, ils n'ont rien à voir avec ce qui, ce qui, va rendre reluisant même la profession du média, de journaliste au Niger. Donc le plaidoyer, vraiment, il le faut, c'est une obligation, et je suis d'accord avec le CSC. Merci. Euh, nous sommes au terme du forum de ce soir. Nous étions en compagnie de Mme Nassir Issa qui est directeur de cabinet du, président du Conseil supérieur de la communication, Lamine Suleiman, membre du réseau des radios et télévisions indépendantes. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonsoir.